Je vais introduire en français, après je vais le dire en Wolof, parce que nous sommes en direct et il y a nos amis de la diaspora qui sont en train de suivre ce live. Donc si je voulez en français, Inch'Allah, je vais traduire sur d'autres langues. Je vais dire Wolof. Madame le préfet, Monsieur le maire, monsieur Patemeng, Madame, Monsieur les membres du conseil municipal, mon cher imam, imam Ratim imam Ahmed Tal, madame Nassira Diop, présidente communale des Badjanougor de Grand Dakar, monsieur Pape Alioun Soumaré, mon doyen, mon mentor à qui je dois beaucoup dans le cadre du CDS, je vous salue avec déférence. Monsieur le président du collège des délégués de quartier, monsieur Oumar Gueye, Monsieur Abdou Khadr Gay, président de Rampart. Je vous salue. Mon grand frère El C'est mon magobob, c'est mon... Sass Meng waaye di nuyu suñuy invité yi non seulement ay bàjjanu gox lañu mais caravane citoyenne bi doon def dañ ko àndaloo nag bàjjan Nasara ak sunu bàjjan Khady Ndiaye muy sunu bàjjan yee jóge ma bëgg ngeen leen Grand Dakar.

dañuy abattre ay travail bu remarquable parce que nous ñom ñoo ñu noppal waaye di nuyu sunu délégué di le coordinateur des commissaires de compte di monsieur ici présent madame Bëgguma Ngom ak monsieur Jacques Ndion waye di nuyu aussi samay mag nga xamné délégué de quartier lañu ñu muy Ablaye Sy di Béy di Ndiaye aussi di tonton lebouneko. merci beaucoup nous saluons aussi le corps enseignant, ils sont présents. L'école Route de l'école Issa Puy, avec l'école Issa Sankaré, M. Sankaré, avec les imams. Donc nous vraiment les délégations qui sont Donc nous allons commencer en français pour saluer nos amis de la diaspora. waaye aussi di beral Le ah, docteur Sen vient d'arriver donc Athanas je devais interrompre mon discours pour plusieurs raisons docteur je vous renouvelle mon estime et ma considération donc comme je l'ai dit je vais introduire en français par rapport à nos concitoyens de Grand Dakar qui sont en train de suivre le live donc je parle en français après je le traduis en wolof Gloire à Allah, l'éternel, celui par qui tout provient et de qui tout retournera. Celui qui nous a prêté longue vie et nous a confié la lourde tâche de veiller sur les destinées du centre de santé de Grand Dakar. Nous prions pour que celle-ci ne soit pas un lourd fardeau, mais plutôt une légère prime. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondu présent à notre invitation. Voilà un an que notre comité de développement sanitaire organise le Forum de la santé de Grand Dakar. Cette manifestation qui semblait anodine trouve tout son sens dans le contexte actuel où la question de la santé est au centre des débats et activités de notre quotidien. Pour vous introduire dans ce forum, vous me permettrez, Monsieur le Président de la Commission Santé ainsi que Madame le Préfet, de vous faire un petit résumé du bilan du forum de 2022. En 2022, nous étions retrouvés là par la grâce d'Allah subhanahu wa Nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui. Qu'il nous donne encore une santé de fer et une longue vie pour qu'on se retrouve, Inch'Allah, l'année prochaine. L'année dernière, cette section de dialogue avait regroupé le personnel médical du centre de santé, le travail, le médecin-chef, qui est alité souffrant, de même que mon trésorier, Dr Ndiaye et Amadou Fall, ils sont souffrants alité. C'est pour ça que vous ne les avez pas vus aujourd'hui. Ces sessions de dialogue avait regroupé le personnel médical, les agents de santé communautaire, les ASC, les médecins vacataires, toute la population de Grand Dakar, comme les imams, les délégués de quartier, les Badjanougokh les associations de femmes de jeunesse, comme les associations de mobilité réduite par le président Momodou Koli. Quatre commissions ont été mises sur pied. C'était la commission relations CDS et autorités locales, la commission mutuelle de santé, la commission personnelle de santé et la commission financement de la santé. Le but, c'était d'essorer un dialogue direct et inclusif avec les populations entendre leurs sollicitations, les problèmes rencontrés au niveau du fonctionnement et des services, apporter des réponses précises et complètes, d'entrer dans un face-à-face pédagogique avec les populations pour continuer à susciter à leur niveau ce sentiment d'adhésion, d'appropriation de leur structure de santé. Enfin, les informer sur les changements et innovations qui ont été opérés au niveau du centre de santé de Grand Dakar. La première commission, relations CDS, autorité locale, on a vu qu'il y a toujours un manque de dialogue, un climat délétère et un déficit de cadre de concertation, l'absence d'accompagnement et de subvention. La commission mutuelle de santé, c'était comment le forum facilitait les adhésions des populations et que les gens puissent comprendre comment adhérer à la mutuelle donc le président Mamour Diop, j'espère qu'il sera là. Lui, il sera beaucoup plus exhaustif pour nous donner les détails. La commission personnelle santé, que le docteur Ndiaye m'a glissé le mot ce matin, c'était le manque de personnel qualifié a été soulevé l'année dernière. Certains ASC ont demandé une augmentation de leur prime, vu le travail énorme qu'ils effectuent, d'autant plus que le centre ne dispose pas assez de personnel les populations sont confrontées à des problèmes de constat de décès, car le centre de santé ne dispose qu'un seul médecin généraliste. Comment améliorer l'accueil Comment améliorer la prise en charge des malades dans les meilleures conditions Comment améliorer le plateau technique du centre de santé de grande car Comment améliorer la situation du personnel avec des conditions meilleures la quatrième commission, c'était le financement de la santé. On a parlé de l'augmentation des capacités d'accueil, d'augmenter l'offre de services, voir le coût des médicaments, faire des visites de courtoisie aux personnes ressources du quartier et surtout impliquer la diaspora de Grand Dakar comme cette diaspora qui, est en, train de nous suivre. Et je pense que la ROLAB qui est là vous donne d'amples indications par rapport à l'année dernière et cette année et le président de la commission finance y reviendra. Maintenant, les résultats par rapport à l'année dernière. Sur les relations entre autorités locale et le comité de développement sanitaire, on avait demandé aux sages, comme recommandation, de renouer le fil du dialogue au bénéfice des populations. Qu'il y ait des rencontres périodiques avec des partages d'informations aussi complètes qu'objectives. Les rôles sont définis et les populations priment surtout. Rôle central des régulateurs sociaux, les notables, les imams, les délégués de quartier, les badjanougor, mais créer un climat de confiance entre le comité de santé et la commune. La deuxième commission, les résultats, accompagner la mutuelle de santé pour l'atteinte des objectifs. Si on est malade et on n'a pas les moyens, ceci pose problème. Nous avons une mutuelle de santé exemplaire avec des personnes dévouées. Ceci aussi sera traité par l'honorable Dr Sen en tant que président de la commission finance de santé. Je, voudrais que vous sachiez la La demande de service, l'offre de service et voir les forces vives et la diaspora. La quatrième, c'était le personnel de santé. La tâche assignée au personnel de santé voudrait un nouveau phénomène, le dévouement et le statut respecter le personnel de santé, déterminer les rôles et responsabilités, avoir des rencontres régulières entre praticiens, sur les compétences, respecter les directives des médecins, sanctionner positivement comme négativement. La santé, c'est un secret. Il y a la charte du malade. Savoir distinguer, identifier le personnel médical, usurpation de fonction et arnaque des malades solliciter les médecins chef du district pour des séances de renforcement de capacité. Mais aussi sur les comportements être souple les malades, on l'a dit aux personnels de santé, l'accueil est souvent décrié. On y reviendra, car la guérison commence par un bon accueil. Accessibilité des services au niveau du centre de santé de Grand Dakar. Le dernier point qu'on avait développé l'an dernier, c'est le financement de la santé. Projet de budget, plan d'action annuel, revoir les tarifs, revoir les équipements, revoir les projets proposés aux autorités, extension en hauteur du centre de santé, projet déjà prêt, qu'on remercie M. Si, et je demande tout le monde de l'applaudir parce que c'est son frère qui nous a donné ce projet, identifier les personnes ressources, associer la diaspora, voir les prérogatives du CDS comme vous l'avez demandé, discuter de tout sur la transparence et le respect des textes. C'est ce qu'on avait dit l'année dernière. Maintenant, par la grâce de d'Allah, nous nous sommes retrouvés cette année où on va parler de santé et d'environnement. Sous l'auspice du président de la commission santé, qui nous a donné un thème de parler sur l'accueil au niveau du centre de santé. Pourquoi ce thème Cette année, c'était la, euh, la rentrée des cours et tribunaux, où le chef de l'État, M. le Président, son excellent Macky Sall, Président, on avait pris comme thème comment améliorer la qualité de l'accueil dans les structures de santé. Et on avait choisi le centre de santé, ce petit centre Grand Dakar. Et il y avait les télévisions qui étaient là. Donc ça, c'est tout au votre honneur. Ce n'est pas le CDS, c'est tout le monde. Maintenant, nous allons nous efforcer. Ensuite, le président de la commission finale va venir donner des correctifs et des contributions. Santé environnement. Moi, je vais parler de santé, après moi, ce sera Ngala mucham, Mbed Mounimale, que je demande tout le monde de l'applaudir, qui va parler d'environnement. La santé. Comment améliorer les conditions d'accueil dans les structures sanitaires L'environnement attire notre attention sur les gens de l'approche qualité hygiène. D'abord, trois questions. Objectif, indicateur de mesure, quel changement Ensuite, deux étapes. Planifier c'est faire, étudier, agir. Deuxième point, pérenniser et diviser la bonne approche, adoption d'un nouveau système. Maintenant, on parle de la satisfaction du client. La satisfaction du client peut être résumée par attente et performance. Maintenant, par rapport aux attentes, c'est des promesses, c'est des témoignages, c'est des expériences passées. Maintenant, par rapport aux performances, c'est la consommation et l'expérience. Si maintenant l'attente est supérieure à la performance, c'est la déception. Si l'attente est égale à la performance, c'est la satisfaction. Mais si l'attente est inférieure à la performance, comme Athanas le dit, nous sommes aux anges, ce qui est essentiel. Maintenant, la qualité de prestation des services de santé. Rassembler le personnel de santé autour d'un projet collaboratif améliorer effectivement la structure de santé permet de gagner par efficacité, de réduire les anomalies et les coûts, mais de proposer le meilleur service possible aux usagers et bénéficiaires. Trois, Un service de santé de qualité doit être ce que doit être un service de santé de qualité. C'est-à-dire qu'il doit être efficace, il doit être sûr, il doit être centré sur les personnes, il doit être rapide et équitable, mais il doit être efficient et intégré. Maintenant, on a eu la chance avec mon président de faire cette formation. Par rapport à l'efficacité, c'est fournir des services de santé fondés sur les données probantes à ceux à qui on a besoin. Par rapport au sûr, c'est éviter de nuire aux personnes auxquelles les soins sont destinés. Par rapport, centré sur les personnes, fournir des soins dont la qualité ne varie pas en fonction de la personne. Par rapport à rapide et intégré, équitable, c'est fournir des soins dont la qualité ne varie pas en fonction de la personne. Intégré, c'est fournir des soins qui mettent à disposition l'ensemble des services de santé tout au long de la vie. Efficient, maximiser les bénéfices des ressources disponibles et éviter les gaspillages. Principale lacune, efficace. Pourquoi efficace ces lacunes C'est que le système ne produit pas les résultats attendus. S'il y a lacune dans efficient, c'est parce que le système utilise trop de ressources pour obtenir des résultats. Chaque fois, docteur Sen le dit, examen, analyse, analyse, analyse. Alors que parfois, la personne qui vient n'a pas beaucoup d'argent. Il est obligé de rester chez lui. Et ça, le président de la commission il viendra la sécurité. Celui qui vient dans une structure de santé doit être sûr de sa sécurité. Donc le système ne garantit pas la sécurité des patients, c'est une lacune. Et vous aurez le temps, le panel, de voir tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des lacunes au niveau du centre de santé de Grand Dakar Parce qu'aujourd'hui, c'est un panel, c'est un forum, et nous sommes ouverts. Réactivité. Le système ne fournit pas les services de manière satisfaisante aux besoins des populations faible taux de guérison, c'est-à-dire des documents médicaux mal ficelés, mortalité élevée, perdu de vue, mauvaise gestion des rendez-vous des patients. Je ne vous ai pas de fier. <laughs> Docteur, je suis André juste de... Temps d'attente long, examen paraclinique à répéter, prescription irrationnelle médicale, coût des soins élevés. C'est des lacunes. Infrastructure niveau d'hygiène risque élevé d'infection. Les suites ne doit pas être vraiment mal propres. doit être toujours propre. Mais surtout risque d'élevé d'accidents et d'incidents dans les directions de soins. Qu'il y ait des rampes par rapport à nos parents qui ont une mobilité réduite. Parce que nous sommes tous société. L'idée, ce n'est pas théorique, mais pratique. Faire un petit changement sur la prise en charge du patient du début à la fin. Maintenant, principe on va tracer le circuit du patient. Maintenant, la qualité, c'est pour éviter les gaspillages. Faire l'évaluation pour la satisfaction. Le guichet ne doit pas être une barrière. Celui qui vient, il ne voit même pas celui avec qui il doit acheter le ticket. L'autre, il est dans l'autre monde. Alors il doit avoir un dialogue direct. Faire des enquêtes de satisfaction. Le docteur nous l'a demandé et on le dira d'ici ce soir par rapport à la satisfaction du centre de santé.